Assalamu alaikum ‘yan uwa matasa da fatan kuna lafiya barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri namu na duka mu haɗu a fada da yau ni Samira Gwafi nake gabatar muku da shi duk inda kuke ina miƙa gaisuwa ta a gare ku da kuma godiya da sauraron mu da kuke yi kowane ƙarshen mako. En français, les jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent, quels sont les défis à relever Les drames se succèdent à Tilabiri, au cœur de la région nigérienne du Liptako-Gourma, aux frontières euh, du Mali et du Burkina Faso. Par exemple, l'une des attaques les plus violentes citées par un article de Jeune Afrique en date du 9 janvier 2021, je cite, Le 2 janvier 2021, une centaine de civils ont été massacrés dans deux villages par un groupe armé soupçonné d'appartenir à l'État islamique du Grand Sahara. Depuis au moins trois autres massacres à caractère ethnique ont fait près de 220 morts. Constatant que l'extrémisme violent conduisant au terrorisme est la cause et la conséquence d'un grand nombre de problèmes examinés par le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a dit qu'aucun âge, aucune culture, aucune religion, aucune nationalité et aucune région n'échappe au terrorisme, soulignant que la situation en Afrique est particulièrement préoccupante. Dans un article écrit par le site des Nations Unies, presseun.org en mars 2023. Madame Francesca Maria Gatz de Malte dit, quant à elle, au Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 mars 2023 dernier, être inquiète de l'augmentation du terrorisme et de la violence en Afrique, y compris au Sahel, qui recense 43% des décès dus au terrorisme dans le monde en 2022. Au Niger, la région de Tilaberi fait partie des zones rouges du pays où l'insécurité fait rage sur les trois frontières. Tout ceci nous amène à nous poser les questions suivantes quel est le rôle de la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme violent comment est-ce que l'extrémisme violent les affecte comme comment éviter leur enrôlement dans cet état de fait pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons convié des amis jeunes concernés de la localité pour en parler. Et comme vous le savez tous à la FADA, c'est 35 minutes d'échange, une rubrique rose, une chronique et de la musique nawa Yakuba gare ka. Vous savez, l'extrémisme violent reste un sujet très vaste et, ça a plusieurs formes. Par exemple, il y a les attaques, les enlèvements, etc. À quel genre de forme êtes-vous confronté ici dans la région de Tilabiri To forme kan ma ergo gidi kindo ay way moyo mona hayo da mewo kan ergo ma de ne gine. Biske ay kindo sa ngare woni moyo amdiya. Wo kan mon go gidi jina pas di boren kalimi che justice wala kay mun dian dirka ki te do kadir mai mne bara han foyen essentiel nago konde wal mun mai mne bor fongo ga e, e sa mu konde kelim ka ki ti se ban banno riyan kan kalnga de no wal mun di bora wat kula su be kay fo bar mai danga bankare hande bar mai de popor bar mai moto bar mai de kala han foyen ko kam da ka bora ga mne ya ci cini amma lokaci fote kan amma bagai gumo ne da commune e, de Sinder Darbani village de Darbani ngo koy no din cinorra i hannaga ka yum ay garo bon so ga kar idan popore idan da no re hay kul dumo kan idan de da me juro dirin bono koy ga ay usam ikanna doktor kwara irno diga hago da kala kala te dama wodi wo kay atir mo idiya wodin Yadinga des femmes, c'est plus les attaques et autres enlèvements et soutien aux, aux, aux gens qui font du mal à la voilà, population de la localité. ga gine ha e danga igo gidi boriyan se kan almanian ni ka ga sambu oh. sanga wodin ni go igo profite da mm-hmm, mm-hmm. ni di bora kalima ga haji iman ha almano manon hunda asbena kan no ai kan agane piske bora dola an sayde ni ni mm-hmm. wodin ma bobu te sami so ira da ta ko de gine se irgo gidi sande wodin ma halka so zama da mai kan ni goyo bon no lokaci kan ni ta ya cine ni goyo bon ni ya cine ni goyo bon ni ya da bai dai kan kun kan kami gwara wodin ma bobu go gidi wal ni ma ne ada ta ko ina kusurai bor fo nga sek na famda dini ga kal furup ikum tu muzuru wodi kul ni nane kaira da ta koyi ga kalin ga dino dang wodi ma dino tai kan irgo euh, ma salabu bakar j'imagine que tu es élève aussi et tu es encore stagiaire euh, ici à la radio Bani. Euh, qu'est-ce qui t'a déjà motivé à vouloir travailler Tu fais déjà quoi ici Tu es animateur Non, non, bon, pour le moment, je fais de, la technique et je suis les émissions, comment ils le font. Ok, d'accord. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir le faire Est-ce que c'est pour impacter ta communauté par rapport à cette insécurité que vous vivez ici dans la région de Tilaberi Bon, pour commencer, d'ores et déjà, depuis, j'ai la motivation de faire la communication. Mhm. Donc, du coup, j'aimerais faire parler ce que je ressens au fond de moi. Mhm. Donc, c'est ce qui m'a motivé d'avoir à faire la communication pour mhm. commencer. Je passe à ma seconde question. Cette fois-ci, je me retourne vers toi, Rahmata. Euh, en quoi est-ce que l'extrémisme violent affecte les jeunes de Tilabiri la isfutare la la agog jenne affecté gumuzam hunkunna ne si irchar gamara e ils ne charga mat kawato dimborai bastare forai go irgamara irga salmara irga haya kulu hunkunna yodin yankul sino irgamara ni ce nga gugir affecté gumo En quoi est-ce que euh, l'extrémisme violent, selon toi, ta propre expérience, cela affecte les jeunes euh, euh, Extrémisme violent, on est tabon Parce que on euh, est ganji, la kangana kanganangi mudubaga goyante, brengono igwe tare tare sajirano igiti. Wodun kula on est ganji musabai kwa giti. a adede ta danga mala sam example exemple adede ta koyi i faut tare tare fatengon ngara ni gudu haifu kwarara wono haikul asara me tare wani ni ngani gudu haifu so wodin lekkal wani ani ganji so musabai ka fata tare ginge goyite par exemple yoru yan ne il faut hali ko hali ka ga ye biri a du muradu noro te me son kan lekkal tunon tun siga fatta Voilà, irgo solan euh, activité génératrice de revenus au oh bon matka mohamed nechida donc on va directement enchaîner avec toi sachant que euh, activités activité et tricycle har karano goyorano en quoi est-ce que cette euh, extrémisme violent affecte ton travail songo songo goyo goisino zamwato din journal par jour nigi nigi du 20 000 nigi du 30 000 adedeta ko falla so adedeta tilaberi arara villo hinrani ne borum sirkile watin bin borgin fatta ko halnan kan borba ko arara ni sudu nor matakan ba me din go fatta ko sa sa jera ni gin gudu mata matakan ba me lakal kana jang go fonda rayan se bore si fatta zam boy ay ga hambure im fatta aim kubai da alfaga ra in bor ko sare ga kayna kan go borga ima ta borga in bora daidai ta borga wali in borwi dinna isu futtai wadun problem no wadun problème no me gay wol mo ne il faut ne na se problème, c'est ce qui te sauve quoi wadun no gbora ah, halasi wadun no gbora halasi <laughs> To sachant que tu fais partie euh, des scouts et toute votre vie c'est vraiment être au service de la population. Par rapport à cet extrémisme violent, déjà tu as vu que ça affecte beaucoup les jeunes. Euh, Arando Harai, qu'est-ce que vous faites pour que Amsi, ah, comment on appelle ça, pour attirer l'attention des jeunes et que extrémistes Mowo, parce que Guaisino, Barakul a perdu son travail à cause de l'insécurité. Qu'est-ce que vous essayez de faire à votre niveau pour aider les jeunes To, quand Irgo Gite Kanti, Adabe, Jene Bumboda, Artsfargirgi, Famandi Kang, Usugoy Suban, Goyo Matkan Adabe, Aldunyaw, Matkan Akada, Namaganan Diaden. nim kagine zamse borogo te goyaci nemne borogo te goya zamse borogo nor semne hans goyacin te no awona do manak banam te no nisbe goy kendu ma borago gati adama zeir koy mani te ayo follong sai follong hon kuna goy masha Allah goy ga bago mubu bakan bore go sube go suban suban ewo irig bore fama de matto nigi te koy ka bora de non se sangani ko ka bora fama de kan filan hono man nana ya wodi woy kul ay woy irgogi fama de bore se ken kena zama

Est-ce que, eh, à travers euh, votre petite séance de 15 minutes, car en farmant que vous faites avec les élèves, est-ce que vous essayez d'attirer leur attention sur ce qu'est l'extrémisme violent et, euh, comment faire euh, pour ne pas, après, qu'ils tombent là-dedans Oui, oui, comme je l'avais dit la fois passée, nous, tout ce que nous pouvons apporter, notre contribution que nous pouvons apporter, c'est au niveau de nos élèves, parce qu'un mhm. enseignant, il essaie toujours d'être discret Mhm. Euh, dans la brousse. Mhm. Donc c'est pour cela que, euh, comme je l'avais dit la fois passée, euh, j'utilise les 15 minutes, les petites 15 minutes là, pour sensibiliser mes élèves dans la classe, en dehors de la classe, et c'est fini. Parce que parfois, nous prêtons très attention. Voilà, vous, êtes dans une zone où vraiment il y a trop d'insécurité dans votre village. Est-ce que les jeunes, ils savent ils sont conscients de ce qui se passe Est-ce qu'ils le savent Et est-ce que vous essayez d'attirer leur attention sur la positivité, que tout ira bien ah, Oui, oui, ils savent euh, ce qui se passe. Les jeunes savent ce qui se passe. Mais comme je l'avais dit, j'ai dit, nous, euh, en tant qu'enseignants, en tant que... Euh, une fois dans la brousse, on ne parle pas beaucoup. Parce que ces gens-là, <laughs> ils sont toujours à la recherche des enseignants. J'espère eh, que vous m'avez compris. <laughs> Voilà. Za mu shiga hutun takaitaccen lokaci don sauraron 'yan matan studio Kalangu don jin mi suka kawo muna a cikin wannan rubrika Rose Isu ta wannan rana. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes ravis de vous retrouvez encore dans cet espace rose du studio Kalangu. On se parfume bien dans notre espace beauté avec moi, Bibi. Et on mange bien avec moi, Fanta. En cuisine, on découvrira plein de façons de profiter du gingembre. Dans l'espace beauté de ce samedi, on se parfume bien, au bon endroit et de la bonne manière. À vos parfums, prêts, partez. Conseil numéro 1. Connaissez votre parfum. Avant que l'on vous dévoile nos conseils pour faire tenir votre parfum jusqu'au bout de la nuit, vous devez vous assurer de connaître la concentration de votre parfum afin de savoir quelle quantité en mettre. D'une eau de toilette à une eau de parfum, la quantité à vaporiser sera en effet complètement différente. Une eau de toilette est bien moins concentrée qu'une eau de parfum donc sa tenue risque d'être moins longue. Plus légère, vous pourrez aussi être plus généreux sur les quantités à vous parfumé au cours de la journée. Pour une eau de parfum, trois pulvérisations suffisent en général pour tenir toute la journée. Sauf s'il s'agit de parfums très frais, genre agrumes, qui sont en général plus volatiles. Enfin, concernant les extraits de parfums, allez-y avec parcimonie. Ils sont tellement concentrés qu'une seule goutte peut suffire et peut parfois donner lieu à une fragrance faux pas. Passons à présent à notre conseil numéro 2. Ayez la main légère, mais vraiment légère. Vous l'aurez compris, il est inutile de mettre des tonnes et des tonnes. Vous allez juste réussir à faire éternuer votre voisin dans le taxi sans aucune garantie que votre parfum tienne jusqu'au soir. Le parfum, c'est un petit luxe en bouteille. Alors si on peut éviter d'en gaspiller, tant mieux. Pour obtenir un maximum de magie avec un minimum de parfum, il suffit de vaporiser votre fragrance à environ 10 à 20 cm de votre peau. Et surtout, bon endroit. Demain, dans la rubrique rose du dimanche, on verra quels sont les endroits sur le corps à privilégier pour vraiment euh, profiter de notre parfum euh, jusqu'au soir. Ah, Coucou les amis, bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques usages que l'on peut faire du gingembre en cuisine. S'il est connu dans de nombreux pays pour ses effets aphrodisiaques et aussi en médecine traditionnelle pour soulager différents maux comme les rhumatismes, la fatigue, les nausées, le rhume, les maux de tête et surtout les problèmes digestifs, le gingembre est aussi un excellent allié en cuisine. Il peut être utilisé dans les sauces, dans les thés et tisanes, mais aussi il rehausse le goût de plusieurs types boisson. Dans les sauces, dans une sauce tomate ou sauce rouge comme on le dit par ici, le gingembre apporte un goût esquis et raffiné sans trop pimenter la sauce. Moudre un petit morceau de gingembre ou beaucoup selon la quantité de la sauce et l'ajouter pendant la friture des ingrédients au début ou carrément à la fin avant d'éteindre le fait de cuisson. Mais l'idéal selon mon expérience personnelle serait de frire l'ail et le gingembre dans l'huile de cuisson avant d'ajouter tout ingrédient et de procéder à la préparation normale. Cela va permettre à l'odeur et au goût du gingembre, de se coller à toute la préparation. Dans les thés et tisanes, vous pouvez par exemple moudre ou hacher grossièrement du gingembre et l'ajouter à votre thé déjà préparé ou encore préparer une tisane à base de gingembre spécialement. Pour cela, faites bouillir un peu de gingembre, filtrez si vous voulez, et ajoutez un peu de jus de citron, de la cardamome et du miel. Ceci est très bien pour la gorge et les petits rhumes. Et pour terminer, je partage avec vous cette recette assez populaire par ici, le jus de gingembre que vous connaissez sûrement sous le nom de lemhari. Pour cela, il vous faut du gingembre, une belle quantité selon vos besoins, de l'ananas, la peau y compris, du citron, de la menthe bien fraîche et de l'essence de vanille. C'est facultatif. Commencez par bouillir la peau de l'ananas et laisser refroidir. Filtrer et ajouter le gingembre, l'ananas et la menthe préalablement mixées. Bien mélanger le tout puis filtrer. Pour terminer, ajoutez un peu d'essence de vanille et du sucre bien évidemment selon votre goût. Bonne dégustation. Merci Fanta pour euh, ton astuce euh, épicée et parfumée. <laughs> C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes. On se dit à demain pour encore plus d'astuces parfumées et épicées. Say he never ever got over me, even when he travel overseas. Yeah. Well, I don't mean to brag, my vibe is attractive. He says they love me globally. You want me horizontally. Nobody like me is freaking fantastic. This nigga in the middle of a crisis. If fall in love, you don't know what the price is. My wallet, oh, but he De retour dans notre émission, en espérant que vous avez kiffé la rubrique rose du studio Kalangu proposée par les jeunes avec leur astuce conseil et beauté. Je vous rappelle que nous sommes dans la commune urbaine de Tilabéry et nous sommes ici à l'air libre où nous avons installé notre FADA pour parler avec des jeunes sur la lutte contre l'extrémisme violent, quels sont les défis à relever et j'enchaîne avec mes questions. Je me redirige vers toi, la station que tu es dans une association et tout. Quel est le rôle de la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme violent selon toi Merci de m'avoir donné la parole. premièrement, le rôle de la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme violent, <clears throat> c'est de sensibiliser, de, faire des sensibilisations pour que ces jeunes-là ne soient pas enrôlés par les bandits. Voilà, merci. Euh, je reviens pour toi, Hassan. Voilà, dis-moi, selon toi, quel est le rôle de la jeunesse euh, dans la lutte contre l'extrémisme violent, ici surtout dans la région de Tilly. Donc, euh, pour commencer, je vais dire que l'extrémisme violent, ce n'est pas une chose qui est innée. Mm-hmm. Et je peux dire qu'elle a été créée, et plutôt elle a été créée et on est en train de l'alimenter. Mm-hmm. Bien sûr, je peux le dire, ils sont en train de l'alimenter. Et comment Je m'explique. Mm-hmm. Et vous allez voir dans presque dans les petits départements et les communes, vous allez voir des, des, petits jeunes, des gens qui n'ont même pas atteint l'âge de la majorité. Et ils viennent dans la ville, et je ne sais avec quoi, ils viennent avec des armes je ne sais pas si ce sont des armes ou pas, puisque j'ai, n'ai jamais vu ça. Mhm. Ils viennent, ils prennent les animaux, ils repartent. Et plus récemment, ça a été, ils l'ont fait ici à Marie, je ne sais pas, c'était hier nuit. Oui, oui, c'était hier nuit, je crois. Donc au moment où les gens partaient faire le nafila, mhm. il y a des petits jeunes qui sont venus attaquer le village. Moi, je les ai vus passer par, eh, avec les animaux ici. Je comprends pas. Il y a des, policiers, il y a des gendarmes, il y a tout, dans la brousse. Mais comment se fait-il que on dit que des jeunes viennent dans une ville attaquer les gens sans pour autant qu'ils le savent Pourtant, on dit qu'ils sont là pour lutter contre ce fléau. Je ne comprends pas. Donc, euh, je peux dire que la jeunesse, ils peuvent se sensibiliser comme l'avait dit l'autre pour lutter contre ceci. Alors, euh, Rahmata, je reviens avec toi. Selon toi, Comment faire pour éviter l'enrôlement On a parlé d'enrôlement tout à l'heure. Comment faire pour éviter l'enrôlement des jeunes dans tout ce qui est euh, ces, activités de violence là voilà. Euh, Yacouba, et toi, selon toi, comment éviter l'enrôlement de la jeunesse de Tilaberi dans ces activités de violence-là ba so sensibilisation da no boris farganda zan ker famandi zama da mais wat kan cine ni di ni jene ni warga hat ka bore margu margu warga bore famandi mhm. filan ya cin kan ni gogta si puisque matkan igo bore waki gogi di kando di ko te ise visite ba ngi ne igo gi droge wala kay man zama da mai zingon na lakkal wani suka ga malfa da kan nyawo wani babu wal mon beri wala ka himun diya dumbo to wat ku kan cinmo ni ba ne di kan sin goy agi man dim bore fa margu ya cin matkir goda cin fa kare kiyat cermera kayin da beri fa kare wal nya da babu wal izin da babu ya cin fa kare hatta ka hatta bore cer fa mandi halka so bore sifar amma goymo ba son imi yake goyen tunan da ambori zam goyen gono kan irga be kan goyen nobu amma haliman du matkan ina hayoda kulli di bore isi he ara mhm. sitina da ta taxi kab kabo ni ma jene gine wallahi hagun gadi gamti taxi amma kun jene kulsi no kan dinna sem ta taxi o ade ta gnan gisi wato di mana imana imana sifiga sambugo en bo kulgu mil hala wone o kay goyo ba goy han han fon orke goy bobe ngono kan na hal albere wala kan himin diadin ikaga goyo mafi mhm, mhm. gice se ka wone goy cinno wallahi be ngono kan he kan ara to kun da shi eh, ta bakin yakubu abin da ya gai yana da mahimmanci sosai ya ce don hana matasa shiga cikin wannan harkar ta'addanci ya kamata a samun musu a gyaggyara a bunƙasa ayyuka da dama wanda zai ji hankalin matasa da zai sa kasu fada cikin wannan ta'addancin hakan zai sa rayuwarsu ta yi kyau kuma ya nuna muna cewa saboda mutane ba su da takarda wani takarda aihuwa hakan ga koko wani takarda da ke nuna ka koyi wannan aikin hakan na sa ba a su aiki koko ba a ba su mahimmanci ba a iya adi diba kwarewarsu kawai ana diba ne diploman da suka suke da shi to za mu shiga hutun takaitaccen lokaci don sauraron wannan kiɗa sai mu dawo mu ci gaba da wannan hirata. me a <laughs> kosambira poni kwame kosambira poni kwame aufuna kai chinasi kosambira poni kwame kalanga aufuna kalkali elisinda kalikata kosambira poni kwame de notre émission après une courte pause musicale et on revient sur notre débat du jour sur le thème les jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Quels sont les défis à relever Et j'enchaîne avec mes questions. Euh, et toi, en tant qu'activiste, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à faire passer les messages à l'endroit des jeunes et aussi à la population sur l'extrémisme violent surtout euh, <coughs> Premièrement, premièrement, quand il y a l'extrémisme violent, à un moment donné, nous ne pouvons même pas se regrouper mhm. pour même passer les informations. À un moment donné, même le regroupement là a été empêché. Même euh, le fait de se rassembler là a été empêché. C'est le problème qu'on a eu à rencontrer pour pouvoir même faire des sensibilisations à l'endroit des jeunes pour ne pas être arrôlés par ces bandits-là. Après ça, vous n'avez pas rencontré d'autres difficultés dans vos activités Pas tellement la, principale difficulté, c'est. C'était de se voir même et même pouvoir coordonner les oui, choses. Les, les activités, c'est un, problème. Ok, voilà, na Tarama, tu bangarinki, dawo ta euh, est-ce que l'extrémisme violent là, par exemple maintenant, c'est les jeunes euh, qu'on qu embobine, Iggy Angolais, Imidangara. Est-ce que cela affecte la vie et la sécurité de la population restante Oui, ça affecte beaucoup la vie de la population de la population restante. Parce qu'aujourd'hui, on te dit ton frère est un bandit, bien un tel, tu un membre de ta famille qui est un bandit. Toi, tu seras en danger car tu ne seras pas en sécurité. Donc, ça, ça a beaucoup de conséquences en tout cas. Alors, dis-moi, Ramata eh, vient de nous parler des conséquences sur le reste de la population. Parce que si on dit ton frère ou un membre de ta famille, ils foutent nous à impacté parce que toi-même tu as en danger. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que de toute façon, le frère, il va finir par entrer à la maison, tôt ou tard. Pas forcément. Si il revient, d'ayeka, maintenant il était. D'ayeka, to d'ayeka, borgitchi, borgitchi, bormukalakale chandi, ga famandi ga hunkuna, manta, dol dol no te arzaka. su si gangite arzaka an duniya wara zirkon bore taman borakul gangite arzaka charbande du boro gonda zamse boro gonda ai wai sin da ai mu kagne ai ga turyante turyan ya hadin ga borgle bora lakkalai candi kan giye kan da bore ga man ta da ka na si a su bai koyi nin yis su ya mu ya cindi ya cindi bor ste bora si a niga lakkalai candi no giye kan da bore ga to madalla Yacouba, je te pose euh, cette question avant de, passer à notre enseignant. Avant les actions gouvernementales, vu que vous êtes scout et tout ça, euh, y a-t-il des mesures que vous prenez au niveau de votre euh, association pour éviter l'implication des jeunes dans le terrorisme o oh, ayig bakirgite inensi sangal wati kal wati inensi irga zamar bai adam mai so jene dila sabu jene bo ba kullu so ayo so arade no kani se wala ay kan himman diad to rekte so ara culturel yan active culturel yan goro kirgite mvc mvc mhm. in ka kulay mil kan wat kullu plusieurs fois rekte ira mhm. wala diddi kan wodin bore sika kullu ko kadde karte kan irbe kan wala gon popul jama bobo mhm. irga koy kalle nodin irin bore margu margu irin dangi se music me kala hal bore margu irin karim ti se hal ban fo sketch han foi mo de ngde irga tise dai kanga ngi ma kanga la yo yayo imma fa kare ti ka bara mm-hmm. ayo ta zain nak shonge te irga di chara irga bargi ha mm-hmm. de mat kar go gir hada irga bargi ha filan wo kanna shonge wote no war go gidi yayo ninga ma fila gay mo de ngay mo no ge bargi je ken filan no ne kanga tiya filan ka sindi chimi filan wa man himka tiya man himka tiya mm-hmm. war ke zaron himka ndi be kanga bore go da sang wal mo irma dangi ci mat kan ci da ji se wal mo karte karte ra cinde wat kullu ga bore famandi ya din mono ndi cara kango gor cara ri ker famandi kan ni bumbo kango bora famandi bay comportement kan konna bora pour que bora am yeddin ga am famni se de sani kan mono konna bora ga ngala so kuba gaksi ne fongo na karan gonda eh, kam agan gaba kan ganan aga action e karan goti aga sande e di im zabu pokyo im duga hangana agan se ambo wallahi gaksi ne bobu gono kirga ba mhm. piske ne bayada mai zo ni suwasa mhm. wat kulkan adamai zo ne ngalakalo dinga gabo dinga wani lokoto dan kulbar kan gasa se ben ga apiye zama wat kulkan cine egi hingine dir he zama irwo dirka ka kala sabu irwo na bidja kir ba kati diddi kin asto fi sibillahi bargi kan bugaru no albero ga kan kati ine wayan je kan gono wal mo imne dan gida kan ahi man dade kan irbe kan boro wallahi agi him ah, girga ne mm. irsi baka halir ko aro gidir no amir henu heni ama ir munde tusirse mhm. am yegir gana ceri ci am ko gidi mat kangir woga harka teda mhm. wato na ga fami fo maga sindir go zurgu indoti mhm. han fo erbum bodir bonno gede ketantum gici se kan wallahi aci ndir birin ko kete nungu filanara zan bore ngono kan wallahi ba gay bu bore gay wodini sim ka ko non fiibe be ko wala non danjeno amma wallahi ro gondi bin kango ko hal nir won hay woyti heno hega imari monde tusirse pour que ron goye kirgo ga de sijirda am dug tege bori zamade da watkul ni sin ko non gra imne ni sin da bahar kan wani mon sin konon gra min sin da ba taxi noru wodi ma amata fodi hindirga ha ni dia foda akti tise sandai mhm. an foi mo yidi gir mure mure kal za bore gon courage kal bore de courage mhm. wonde ti gak na ak ngir ba fisbillahi bore ga to madalla kun dai shi kuma daga bakin yakub abin da ya ga ya mana ya ce suna da bukatar tallafi da taimako don ganin cewa sakonsu ya isa ga waɗanda ya kamata ya ji kuma da ya samu ya tsaya cin kanun mutane yana kira ga duk wanda ke da ƙarfi dai mai iyawa su taimaka musu wajen kai sakonsu nesa kuma ya gaya mana irin ayyukan da suke yi a cikin wannan jiha ta tilibiri don ganin cewa sun ja hankalin matasa na barin eh, harakar ta'addanci zan dawo ta bangaren mu na wannan fada eh, a cikin ƙauyen da kake babu kwanciya hankali ana ta ana rikice-rikice hakan yana ta da mutane hankali ku kanku baka cikin tsaro yanzu a bangaren ku a matsayinka na malamin makaranta menene kuke da bukata na ganin cewa an ƙara ka muku tsaro ko dai wani abu da zai sa aikin ku yayi kyau da abun da kuke yi gaskiya na da muhimmanci tunda ilimi ne kuke bayarwa eh, c'est avec l'esprit tranquille qu'on peut travailler donc sans euh, la paix on ne peut pas travailler et tout ce que nous demandons euh, à, à notre état c'est de tout faire pour euh, sécuriser nos, nos villages. Parce que les enseignants de la bourse, vraiment, n'ont pas l'esprit tranquille. Et, sans l'esprit tranquille, on ne peut pas travailler. Et c'est tout, ce que je peux euh, demander. En tout cas, il a toujours été bref parce qu'il dit là-bas, là, là c'est risqué. <laughs> <laughs> En tout cas, caché, on vit mieux. C'est avec cette petite note d'humour euh, que nous allons accueillir Olivier pour sa chronique du jour. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de la place des personnes handicapées dans le sport. Les Jeux olympiques 2024 se préparent avec acharnement. Au niveau du staff d'organisation, les fédérations, le travail bat son plein. Et cette année, il est constaté une mise en lumière particulière sur les personnes handicapées pratiquant des disciplines diverses. Le sport est une activité qui peut être pratiquée par tout le monde, quel que soit son handicap. Les personnes handicapées peuvent trouver dans le sport un moyen de s'exprimer et de se réaliser, ainsi qu'un moyen de promouvoir leur inclusion c'est pourquoi les Jeux olympiques et paralympiques ont une grande importance pour les personnes handicapées. Les Jeux paralympiques ont été créés en 1960 à Rome, en Italie, avec pour objectif de permettre aux athlètes en situation de handicap de participer aux compétitions de haut niveau, tout comme les Jeux olympiques. Depuis, ces compétitions ont pris de plus en plus d'importance et de visibilité, permettant ainsi de sensibiliser le grand public à la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société et dans le monde du sport les athlètes paralympiques ont la possibilité de concourir dans différents sports tels que l'athlétisme, la natation, le tennis de table, le basketball en fauteuil roulant, le handbike, entre autres, et même le surf. Les compétitions sont organisées selon les catégories en fonction des types de handicap afin d'assurer l'équité des compétitions. Si chez nous au Niger, le manque d'infrastructures, le manque de visibilité, le manque de sponsors freinent les ambitions des athlètes paralympiques, ces derniers s'entraînent également et aussi faire partie des meilleurs. Ces compétitions sont donc un moyen pour les athlètes en situation de handicap de prouver leurs capacités et leurs talents et de dépasser les préjugés et les stéréotypes qui peuvent exister à leur égard. Les athlètes paralympiques sont de véritables modèles de courage, de persévérance et de détermination. Leur participation aux Jeux paralympiques est pour nous une source d'inspiration. D'ici là, allons décrocher les étoiles. Merci beaucoup Olivier pour la chronique. Euh, j'espère qu'elle a été euh, bénéfique pour nos amis jeunes. Vous avez écouté tout ce que nos amis jeunes ont dit, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Malheureusement. mai domin za ku ci gaba tare da habibu garba don jin kuma yadda suka kare da wayannan matasa bisa kan wannan jigo da muka yi magana saman shi ma'ana matasa a cikin yaƙi da ta'addanci da menene kalubalen da suke fuskanta kun da ji abun da duka matasa sun gaya mana matsalolin da suke fuskanta yaya suke aiwatar da ayyukansu na ganin cewa sako ya kai ga matasa kuma yadda ya kamata a tarbi wayanda ma suke ta'addanci nan da suka bari kuma suka komo gida dan ba juya musu baya za a yi ba za mu ce muku haza salam sai kuma sati na gaba in muka sake haɗuwa a cikin wani sabon shiri mu huta lafiya.